Bimbas Midouge président de la république un programme de résilience économique et sociale pour nous ñëw vers les populations d'Imbalélen Grief ngir yëf dès les premières heures de fatigue 10 tonnes de vie pour le quartier qui a vu naître et grandir muy Il a tonnes de riz pour soutenir l'ensemble des quartiers de la commune de Nous ñu de ci Nous mu confectionné 1000 masques Nous avons réouverture des classes le 2 juin avec des lavoirs pour nous indiquer quartier et nous ko ci école yi journée dafa confectionné 6 000 masques pour indiquer ko population pour ñu respecter les gestes barrières li tax muy def loolu signifie nañu ne moom bàyyi faalu président Macky Sall la. du donc président Macky Sall bu définir un programme mënul le ko topp ko te ko xam docteur Cheikh Kanté xam ne moom dem ba jeex la président Macky Sall wax Il lay def ñëw aux côtés des populations pour nous respecter les gestes barrières. Depuis que le président de la République a déclaré l'état d'urgence pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, le docteur Cheikh Kantel, l'inconditionnel de son excellence, mobilise les troupes. Il n'a pas hésité à réagir comme à l'accoutumée à appuyer 500 tonnes de riz aux populations faticoises. 11 000 masques ont été distribués comme suit. CM3, 200 masques et des lavoirs. District sanitaire, Ndiaye, 100 masques. École Tchagoun 100 masques. Ngorandam 100 masques. FA, 100 masques. Et les grands plats, 50 masques. Aujourd'hui, il revient mobiliser 6000 masques répartis comme suit. 200 masques pour chaque collectif. Pour les charretiers, 200 masques. 200 masques aux conducteurs Jakarta, 200 masques aussi pour les chauffeurs de taxi, 200 masques pour les conducteurs, pour les communicateurs traditionnels. Vive le président de la République, vive notre ministre Cheikh Kanté. Je voulais juste dire que aujourd'hui le ministre docteur Cheikh Kanté a une honneur fatigue en masque. Mais quand même, il serait bien beau de rappeler que dès les prémices de la pandémie, le ministre docteur Cheikh Kanté s'est résolument engagé à accompagner les populations de fatigue en les octroyant 50 tonnes de riz qui ont été remis aux autorités administratives. Ça, c'est un. Mais aussi, il a distribué aussi des, a distribué aussi des, des protections individuelles, à savoir des lavoirs, des gels hydroalcooliques, des savons et aussi des masques. Parce que Amil l'a dit tantôt, lors de la reprise, euh, euh, je ne dirais pas avortée, mais lors de la reprise qui a été reportée, le ministre avait donné 1000 masques qui ont été destinés aux 5 écoles de son quartier, Mais aujourd'hui, nous venons d'assister à un don de 6000 masques qui ont été remis ce matin pour les populations de fatigue. Et cela prouve d'emblée la volonté du ministre Dr Cheikh à lutter contre la pandémie, ici à Fatigue même. Mais aussi cela prouve que le Dr Cheikh Kanté a la volonté d'accompagner les populations de fatigue à pouvoir respecter le port obligatoire et généralisé du masque qui a été nouvellement édicté par l'État du Sénégal. Mais aujourd'hui aussi, le ministre Cheikh Kanté se réjouit en tant que Faticois de venir en aide aux populations, aux populations faticoises. Parce que tout le monde sait que ceci n'est pas une action politique, mais c'est une action citoyenne et volontaire. Et lui, il se dit, lui, il dit que, c'est très noble et c'est très naturel. Il n'y a pas de plus noble et de plus naturel euh, d'assister, d'accompagner, de soutenir les fils de fatigue. Parce que lui, il est de fatigue.